sur cette émission, en étant jeune, nous avons sollicité une diva, une icône, une légende vivante qui parle du Niger hors de nos frontières. Aujourd'hui, grâce à elle, certainement beaucoup ne font plus l'amalgame entre le Niger et le Nigeria. Elle est une fierté nationale et nous n'allons pas attendre sa mort pour dire que elle a fait ceci, elle a fait cela. Nous faisons aussi avec l'actualité. Récemment, elle a été hors de nos frontières. Elle a hissé haut le drapeau du Niger. Nous sommes fiers d'elle. Et quand je parle de cette dame, j'ai la chair des poules. Tout sur Aïcha Maki. C'est tout de suite et maintenant sur euh, l'émission Tous à Sur la rubrique L'artiste s'exprime Aïcha. Non, sérieusement, regarde, j'ai la chair des poules quand je parle de toi. Tu fais notre fierté, au fait, tu fais la fierté du Niger. Ça va, tu vas bien Oui, non, Tu, es en forme Ça va, oui. Comme d'hab, hein Oui, comme d'hab. Parlons de Aïcha Maki, de A à Z, le parcours de la combattante. Ok, merci euh, au studio Kalangu, Fondation Hirondelle. C'est une euh, joie pour moi d'être euh, ici aujourd'hui à cette émission. Aïcha Maki, 10 ans, je suis née et j'ai grandi à Zender, dans un quartier qui s'appelle Lungo Alkari, donc c'est un quartier vraiment populaire. Contrairement à des personnes qui pensent que je suis euh, de la famille des Makisal... Je ne le suis pas, mais je suis la fille de mon père, Maki. C'est le fils Zender. Des Zender, c'est le fils des feux Alkali Malam Kidi. Ah, d'accord. Donc moi, je viens d'une famille euh, hautement religieuse. Mhm. Euh, de mes deux parents, il faut les dire tout de suite d'entrée en jeu, que euh, personne n'a été à l'école. Ouais. Mais euh, ils ont fait des sacrifices, entre guillemets, de m'envoyer à l'école parce qu'ils savaient que toute descendante d'une famille euh, religieuse, j'avais besoin de l'école pour une ascension sociale. Allez-y, savoir, chercher le savoir jusqu'en Chine, s'il le faut, Dieu l'a dit. Absolument, absolument. Donc j'ai... Mon éducation à la base jusqu'au lycée était mixée entre l'école moderne, mhm et l'école coranique en week-end, euh, là où j'apprenais le Coran et les préceptes de l'islam. Donc c'était comme ça que j'ai avancé euh, jusqu'à mon bac. J'étais dans des écoles publiques, donc je suis un pur produit de l'école publique. Toute ma vie, l'État a financé sur moi. Ah. Donc euh, oui, moi je n'ai jamais fait d'école. Ah, d'accord. Donc moi je viens d'une famille hautement religieuse. Des mhm. de mes deux parents, il faut le dire tout de suite d'entrée en jeu, que personne n'a été à l'école. Mais euh, ils ont fait des sacrifices, entre guillemets, de m'envoyer à l'école parce qu'ils savaient que toute descendante d'une famille euh, religieuse, j'avais besoin de l'école pour une ascension sociale. Allez-y, cherchez le savoir jusqu'en Chine, s'il le faut, Dieu l'a dit. Absolument. Mon éducation à la base jusqu'au lycée était mixée entre l'école moderne mhm. et l'école coranique en week-end, euh, là où j'apprenais le Coran et les préceptes de l'islam. Aujourd'hui, qui fait la fierté du Niger, Aïcha Maki on a eu un peu le parcours en question. Le cinéma en toi s'est réveillé à quel moment de ta vie Bon, euh, peut-être avant de parler du cinéma, il faut parler d'abord de l'art dans sa globalité. L'art Parce que la première fois que je suis allée sur scène, j'avais 6 ans. 6 ans J'ai interprété une chanson qu'avait euh, écrite euh, Fé Issa ah. et qui cherchait une voix portaise qui allait porter le message de la jeunesse de la région des Anders ah, en présence du président Fé Ali Seibou. Elle est née artiste, mesdames et messieurs. C'était quoi l'interprétation C'était une chanson qui était dédiée à la jeunesse scolaire de la région des Anders qui s'appelle Zender, région de mon enfance. On coupe le son. J'ai envie d'avoir cela sur cette émission. Ah C'est important. Le début de l'artiste pour qu'on découvre aussi un autre côté euh, de Aïcha. C'est ça la mission mm. de cette émission. Zender, région de mon enfance, c'est toi qui m'as vu grandir. Apprends-moi ton histoire. Et quand je saurai cette histoire, j'irai dans la forêt Juré dans la savane, raconter ton histoire. Elle est venue à Niamey, en pleine ville, la capitale du Niger, pour raconter l'histoire de Zender. Le film qui est d'actualité, mesdames et messieurs, c'est une promesse de 6 ans. Aïcha, parlons des débuts de l'artiste. Parce qu'on m'a dit parcours du combattant. Qu'est-ce qui t'a amené Aïcha dans le cinéma bon, C'est toujours à euh, le continuum de l'art. Quand j'étais à l'école primaire, Jusqu'au lycée, je faisais un peu du tout en fait. Je faisais de la poésie, je faisais surtout du théâtre. Et donc le cinéma à proprement parler, c'était suite à la science. Suite à la science Oui, la sociologie. Je suis sociologue de formation et c'est sur le terrain que j'ai eu envie de faire un revirement pour euh, aller vers le cinéma. Wow. C'était le déclic en question de l'artiste Aïcha Maki, mesdames et messieurs. L'instant est solennel quel serait le message de l'artiste Le chama qui s'exprime. À toute la jeunesse du Niger particulièrement et celle du monde entier, je vous exhorte à suivre votre passion. Parce que la passion, elle n'a pas de limite. Quand vous êtes passionné, vous êtes capable de faire bouger les montagnes. Croyez en votre passion Allez vers des gens qui sont en train de vous donner des messages positifs. N'acceptez pas qu'on vous dise que vous n'êtes pas capable. Pour moi, rien n'est impossible. Et même dans l'impossible, il y a le possible. Aïcha machine. Aïcha, finish. Hey.